Bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette euh, édition de ce vendredi 23 septembre 2022 euh, sur euh, le miroir de la femme Tamra Cela dit, le 21 septembre dernier, à New York, le président de la République, son Excellence Bazoum a présidé une importante rencontre en lieu avec la question de l'éducation au Niger. Un extrait de son intervention sur cette édition. Promouvoir l'école au Niger aujourd'hui, c'est donc un impératif d'une urgente nécessité. Promouvoir l'éducation des filles, forcément par la généralisation des internats dans les collèges ruraux dédiés à elles, constitue à terme un moyen sûr de lutte contre la pauvreté et contre la violence qui est consubstantielle à la pauvreté. C'est pourquoi Mesdames et messieurs, je vous invite à vous mobiliser généreusement aux côtés du Niger pour que nous gagnions ensemble ce combat qui vise à assurer la réussite des filles à l'école et à mettre le Niger sur une autre orbite qui va être une orbite de progrès, de prospérité, grâce à l'investissement dans le meilleur des capitaux, qui est le capital humain. C'est cela les enjeux de cette rencontre d'aujourd'hui et c'est à cette mobilisation, mesdames et messieurs, chers amis du Niger, que je vous ai conviés en vous demandant de venir, de nous écouter et de regarder avec nous la situation des pays comme le nôtre avec des yeux totalement différents et des perspectives totalement différentes. Autre aspect de cette édition, la société de transfert d'argent Amana a procédé ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey à la signature d'une convention partenariale avec quatre entités scolaires pour la digitalisation du paiement des frais de scolarité d'autoprécision avec euh, Ralia Sami et Kantama Ibrahim. C'est dans le souci d'innover et d'apporter des solutions aux parents d'élèves et aux écoles que la société de transfert d'argent Amana propose à ses partenaires et au monde académique sa nouvelle stratégie de paiement des frais de scolarité dans ses agences ou à travers son application Amanata. C'est ainsi que le directeur général d'Amana Transfert explique le bien fondé de cette initiative. Amana Transfert d'argent a décidé d'innover en digitalisant les paiements des frais de scolarité, pour faciliter aux parents les paiements et pour les écoles améliorer leur efficacité, réduire le risque de pertes, de détournements et de vols. Avec ces nouveaux services, fini la perte de temps et d'énergie, des allers-retours pour les parents. Ils peuvent dorénavant payer les frais de scolarité de leurs enfants en toute simplicité dans toutes nos agences au Niger et dans la sous-région, mais aussi à travers l'application Amanata sans se déplacer. En ce qui concerne les écoles, ils auront à leur disposition un outil puissant et sécurisé pour le suivi et le pilotage en temps réel des paiements des frais de scolarité des parents avec des alertes SMS à chaque paiement. À travers ces partenariats, vous démontrez une fois de plus votre volonté de moderniser le système de paiement des frais de scolarité et votre engagement d'être plus proche des parents d'élèves et d'étudiants. Premier partenaire pour le lancement de cette digitalisation du paiement des frais scolaires, le représentant des quatre écoles partenaires salue à juste titre cette initiative dont il pense vient proposer une solution aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien le CSP à Mustaqbal a vu important d'adhérer au service que Amana Transfer propose aujourd'hui. Payer les frais de scolarité à travers les agences Amana ou via l'application Amanata. Ce service pourra beaucoup aider à gérer les problématiques qui sont dues à la gestion et la collecte des frais de scolarité. C'est l'une des premières initiatives entre Nigériens pour aller vers une innovation qui va soulager les parents d'élèves. Cette innovation va soulager sous trois points les acteurs, les parties prenantes de l'enseignement et de la formation. C'est une solution efficace de paiement des frais de formation. Pour ne pas répéter le directeur, cette solution va soulager tous les acteurs en ce qui concerne les parents, les élèves et les institutions de formation et de l'éducation. Et enfin, c'est que ça va donner une visibilité, une traçabilité des frais de paiement, tant au niveau des écoles qu'au niveau des acteurs externes que sont les parents. En transfert d'argent, nous a attendu une tâche. Nous a attendu cette tâche dans le sens où ça va diminuer même le, le nombre de parents d'élèves qui vont se présenter au guichet des différents établissements. Mais aussi, ça va faire en sorte que en étant assis, un parent peut faire son transfert. Globalement, je pense que c'est une solution innovante que vous amenez, monsieur le directeur. nous, nous avons saisi aussi cette perche rapidement quand vous nous avez fait cette proposition. je pense que les parents d'élèves ne doivent pas hésiter aussi de le faire. Il suffit tout simplement de faire le versement et d'envoyer le reçu avec euh, l'enfant pour que ça soit confirmé au niveau de, de l'école. Cette euh, solution que et Amana Transfert d'argent vient proposer au monde académique de manière générale et pour nous une bouffée d'oxygène. Parce que ça va nous permettre, dans un premier temps, déjà de faciliter, M. Léger a dit, de faciliter le paiement des frais aux étudiants, à leurs parents. Et à nous, en tant qu'administration, d'améliorer notre système de recouvrement de ces frais-là et de tendre vers l'effectivité du recouvrement. Et je pense que c'est possible parce que à, un instant donné, on peut avoir la situation de tous les paiements effectués dans les détails les plus, les plus poussés. Donc euh, nous pensons que de cette manière-là, nous allons pouvoir améliorer non seulement la gouvernance académique, mais nous allons aussi pouvoir améliorer la gouvernance financière de, de nos universités. Ainsi, du CSP Al Mustaqbal au groupe IAT-CSP Algoza, en passant par l'IPSP jusqu'à l'université d'Andikodankulodo de Maradi, c'est une facilité d'inscription et de paiement des frais de scolarité Kamana Transfer propose pour les parents. Toutes choses qui leur permettra de bien préparer la rentrée académique 2022-2023 qui s'annonce. Suite de cette édition, clôture hier matin au Palais des Congrès de Niamey du 5e Congrès confédéral ordinaire euh, de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Le compte rendu est signé Zéna Gagara et Abdel Nasser Abdou de continuer. De la transparence, la justice et les Ouvert depuis le 20 septembre 2022, les rideaux sont tombés sur le 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. Après l'analyse du bilan du mandat passé, ces trois jours ont été une occasion pour les congressistes venus des huit régions du pays de débattre sur diverses thématiques autour des panels, mais aussi de mettre en place des nouveaux dirigeants de la Confédération. Le secrétaire général de la Confédération démocratique à des travailleurs du Niger CDTNA Idrissa Gibrila, s'est dit satisfait des résultats issus de ce congrès et remercie les militantes et militants de la dite confédération. Le congrès, c'est aussi le moment du bilan. À ce niveau, le débat a été fait sur les acquis et les difficultés rencontrées, surtout sur les questions salariales notamment leur revalorisation quand on sait la cherté de la vie de plus en plus persistante à laquelle les travailleurs sont confrontés. La CDTN fera de cette préoccupation majeure une priorité dans le cadre de négociations déjà entamées mais non achevées avec le gouvernement. Les amendements apportés à nos textes fondamentaux et au plan d'action, ainsi que l'élection des membres du nouveau bureau exécutif national dans un esprit consensuel et empreint de solidarité entre les différents syndicats affiliés à la CDTN à la veille des élections professionnelles, puisque prévues en 2023, nous reconfortent et nous laisse présager Inch'Allah, que notre confédération sortira victorieuse et améliorera par la même occasion son pourcentage. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux syndicats affiliés à tenir leur instance pour dynamiser davantage leur cadre organisationnel aux coordinations et sections et comités communaux à procéder au renouvellement conformément aux dispositions statutaires et réglementaires afin d'être prêts pour les futurs enjeux. Aux délégués de coordination et sections, tout en vous félicitant pour votre immense contribution à la réussite des assises du 5e Congrès confédéral, je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives. Inch'Allah, rendez-vous en 2026 pour le 6e congrès confédéral ordinaire. Le représentant du ministère de l'Emploi, en prenant la parole, a félicité les congressistes. La confiance que vous avez renouvelée au camarade Dibrilla Idrissa pour continuer à conduire les destinées de votre centrale syndicale est la preuve concrète de votre union. C'est donc l'occasion pour moi d'adresser, au nom du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale empêché, toutes mes félicitations au secrétaire général reconduit pour la confiance placée en lui. J'adresse également mes félicitations aux autres membres du bureau exécutif de la CDTN qui, aux côtés du camarade Djibrila, mèneront la centrale au succès à travers surtout et renforcement des capacités des responsables et de ses militants. Je demeure convaincu qu'au sortir de ce congrès, la CDTN établira de nouvelles stratégies qui lui permettront de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte de ses objectifs statutaires. Également, ma conviction est que les responsables de la CDTN et au-delà du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale apporteront une attention particulière aux recommandations que vous venez de formuler. Rappelons que Idrissa Gibrila est reconduit secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN pour un nouveau mandat de 4 ans il sera accompagné au cours de ce mandat par 43 membres élus pour la défense des intérêts matériels et moraux des militants et militantes de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN pour les quatre prochaines années à venir. Avec le partenaire, nous sommes toujours disposés d'entretenir des rapports Suite de cette édition, du 16 au 22 septembre, le photographe Jérôme Laveur a organisé une exposition de photos. C'est plus d'une soixantaine de clichés qui sont exposés au Centre culturel franco-nigérien Jean rouche Regardez plutôt ce tellement réalisé par euh, le studio Kalangou. Vous avez 60 photos qui représentent 20 ans de, d'existence, 20 ans de shoot et qui retracent un peu ma, carrière, mon travail, euh, les lieux où j'ai travaillé, les lieux que j'ai visités. Euh, voilà. J'aime le noir et blanc parce que je trouve que la couleur représente la réalité alors que le noir et blanc représente ma réalité. J'ai opté pour ce genre de photos parce que pour moi, ce genre de photos sont plus parlantes. Elles portent en elles un message, ça capte l'attention de la personne qui les regarde, ce qui suscite en elles une sorte de sentiment. La photo, elle représente pour moi comme une sorte d'évasion. Je suis en harmonie avec moi-même quand je fais de la photographie, donc du coup j'ai une paix intérieure. à travers ce qu'a exposé le photographe, on voit bien qu'il est dans sa thématique parce que c'est tout presque sa vie ou bien ses, passages d'un certain lieux qui ont marqué sa vie, qu'il a voulu exposer depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc il a voulu associer euh, une de ses étudiantes qui est en herbe, qui a aussi exposé de très belles photos, ce qui permet de dire que la relève est en train de se préparer. Joe Connor. Actualité africaine à présent, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné trois accusés pour euh, l'assassinat de l'étudiant Boukari Dabo. Pour euh, plus de précisions, suivez plutôt ce reportage de Africa News. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné jeudi à des peines allant de 10 à 30 ans de prison trois accusés pour l'assassinat en 1990 de l'étudiant Boukari Dabo. Il s'agit du général Gilbert Diendéré, du colonel Mamadou Bamba et enfin du sergent Victor Magloire Ayoubaré, absent du procès et jugé par contumace. Leur avocat, maître Latif Dabo, s'est dit surpris du verdict. Tout le débat tournait sur le fait que on a deux personnes, en l'occurrence Bamba, et notre client, qui étaient là et qui sont toujours là, et se poser la question de leur responsabilité dans ces faits, car ils étaient tous poursuivis pour des faits de complicité. Donc, vous dire en cette soirée, en tant qu'avocat de la défense, que la vérité a été dite avec des condamnations telles que nous les avons entendues, comprenez qu'il y a une ligne que je ne saurais franchir. Le verdict dépasse largement la réquisition du parquet qui avait réclamé cette enferme. Mais pour l'Association nationale des étudiants burkinabés des années 90, cette condamnation est méritée. Nous pouvons dire que justice euh, a été rendue pour notre camarade euh, Dabo Boukari qui a été effectivement assassiné le 19 mai 1990 donc au sein du Conseil de l'Entente. Donc euh, nous sommes satisfaits de ce verdict. Alors qu'il a fallu attendre la fin de son régime en 2014 pour voir les premières inculpations dans ce dossier, Blaise Compaoré, l'ancien président du FASO, n'a pas été poursuivi dans cette affaire. En Côte d'Ivoire, cette fois-ci, où plusieurs manifestants sont sortis une fois de plus pour réclamer la libération des soldats détenus au Mali. France 24 nous en dit davantage sur cette sortie. Ils défilent dans les rues d'Abidjan pour réclamer la libération des 46 soldats ivoiriens encore prisonniers au Mali. Ça ne peut pas se passer comme ça, qu'ils libèrent ces enfants. Ils sont que des simples militaires. Ils ne sont pas des criminels. Ils n'ont rien à voir avec la politique malienne. Début juillet, 49 soldats ivoiriens sont arrêtés à l'aéroport de Bamako ils sont accusés par le Mali d'être des mercenaires et de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. De son côté, Abidjan affirme que ses soldats étaient en mission pour les Nations Unies, une version des faits soutenue par l'ONU, qui admet néanmoins une erreur de procédure dans l'envoi de ses troupes. Début septembre, le gouvernement malien consent à relâcher trois soldats, laissant entrevoir une sortie de crise mais quelques jours plus tard, le colonel Assimi Goïta déclare que la libération des 46 prisonniers restants serait liée à l'extradition de personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Une tentative de chantage inacceptable selon Abidjan, qui réclame une médiation de la CDAO dans ce dossier. Le sort des soldats ivoiriens devrait donc se retrouver au cœur des débats lors du sommet extraordinaire de l'instance ouest-africaine prévu ce jeudi à New York. Et enfin, les chefs d'État de la CDAO décident d'une sanction progressive à l'encontre des militaires au pouvoir en Guinée. Une décision mal accueillie par ces derniers. Suivez plutôt ce reportage de Africa News. Alors que le président de transition du Mali et de la Guinée célébrait jeudi à Bamako le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, dans le même temps, les chefs d'État de la CEDEAO décidaient à New York en marge de l'Assemblée de l'ONU des sanctions progressives contre les militaires guinéens. La réaction ne s'est pas fait attendre à Conakry. La démarche du président Mbalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas. Parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CDAO étaient de nature à entériner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de soir parce que nous ne reculerons pas. La CEDEAO prévoit de dresser très prochainement et de manière graduelle une liste de responsables guinéens à sanctionner. Concernant le Mali, pas de sanctions, mais l'institution communautaire a condamné l'arrestation des soldats ivoiriens détenus depuis juillet et promis de dépêcher à Bamako les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération. En revanche, le Mali et la Guinée restent suspendus de la CEDEAO. Voilà, monsieur, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 23 septembre 2022 sur la télévision Tambra. Les programmes continue sur votre télé et radio de proximité. Au revoir.